à 8h, Inch'Allah, avec Mamelia. Merci beaucoup, Papa Tabou, à 8h pour le tour en Wolof avec Mambeya. Il est 7h25 et tout de suite, nous passons à la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Ça sent le nef Feremba. Mamrour, de Mamrour, dans le Tchaya de qui En tout cas, Tribune quotidienne évoque les recours. Les recours en cascade de l'opposition, histoire de renseigner au bord, eh bien, au bord du chaos, au bord du chaos diam. En tout cas, le Conseil constitutionnel rattrapé, eh bien, rattrapé par son incompétence. Voilà ce que souligne clairement et nettement Tribune. Le journal du groupe des médias d'ajouter 7 sages, 7 sages, pas 6 sages, du tout, du tout sages. En tout cas, ils ont validé, ils ont validé la forfaiture du parrainage, malgré les avertissements de la la Cour de justice de la CDAO rappelle clairement et nettement tribune ce matin. Ce matin, Vox Populi a sa une révélée, rassemblement, eh rassemblement de l'opposition demain. Vendredi, à la place de la nation, le préfet, eh bien, le préfet coule la manif de Yehui Askadui. En d'autres termes, Yehui Askadui est sommé d'aller traire, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs. Si on en croit Vox Populi ce matin, le journal d'indiqué mort à leur oppose une demande antérieure de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal d'y tenir, d'y tenir le même jour une foire écologique. En tout cas, Yehui prend acte, renseigne Vox Populi, compte vérifier cette information et choisit une nouvelle date, le 8 mai. Mais, retenons d'après Vox Populi que Détier Fall, Détier Fall et compagnie dénonce, eh bien, dénonce ces petites manœuvres aux allures de calcul d'épicier de Nyangle National Universel Mondial qui ne peut en aucun cas les empêcher de tenir cette manifestation. En d'autres termes, la manifestation de Yehui lui aura lieu et par la force dans les mâmes au regard de ce qu'explique des et compagnie dans Vox Populi. Bon, restons avec le journal qui parle du pavé dans la barre. Du pavé dans la barre, signé Monsieur le nouveau maire de Thiès. En tout cas, Vox Populi, au chapitre des investitures sur les listes nationales et départementales du côté de la coalition de l'opposition, nous renseigne, eh bien, nous renseigne de la colère, de la colère noire du maire de Thiès, du maire de Thiès contre le présidium de Yehui Askalui. En tout cas, Babacar Diop Zappé, FDS, les Guélois parlent de crime, de crime, dénonce un copinage sans précédent du sectarisme et des mesquineries d'enfants d'écurie. Ou le box, sommes-nous de dire. En tout cas, retenons d'après Vox Populi que Ndeketeyo, Ndeketeyo, Bir Yewi Askadui. La preuve avec FDS Gelowat qui récrimine contre l'ostracisme dont Babacar Diop et eh bien Babacar Diop, le leader de la dite formation politique et ses principaux responsables ont été victimes lors des investitures. Bon, information à lire, et eh bien à lire dans le tribune quotidien. Le journal de nous renseigne enseigner des ponts que Nkelimamu Kourbaïfal, Dengandimamu Bolde Bourido, aux allures de tui tui tui, signé le professeur Babacar Diop, maire et bien maire de la capitale du rail. En tout cas, non investi par Yewi Askalui, docteur Babacar Diop. Docteur Babacar Diop accuse Sonko et Khalifa de crimes politiques, politiquement parlant, et eh bien politiquement parlant. Dakar Times ce matin nous livre, et eh bien nous livre les comploteurs. De qui s'agit-il, Wai Eh bien, de Khalifa Ababakar Sal et Ousmane Sonko. En tout cas, les deux hommes, et eh bien les deux hommes sont élevés au rang de complot explotar. devant l'éternel, s'il vous plaît, par Dakar Times. Et plus qu'il a dit Times is money, passons au témoin quotidien ce matin. Le journal annonce, eh bien, annonce un bouquet Mbam aux allures de l'ambigolon au sein du Parti Socialiste. De quoi s'agit-il encore, Why Eh bien, le témoin quotidien de renseigner Parti Socialiste, un secrétariat national, un secrétariat national de tous les dangers, de tous les tolof tolof et de tous les jafé jafé. Aujourd'hui, aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, il convenait également de retenir que celui qui soutient les yeux fermés la coalition Beno c'est Borom Goudomp. Comprenez Souleymane Ndiaye. En tout cas, eh bien, en tout cas, le leader du parti Yonuna Tangué. Comprenez Souleymane Ndiaye, c'est comme qui dirait un renfort de taille triple XL pour la liste de Beno aux législatives. Législatives à venir, retenons tout simplement et tout bonnement le soutien au la main, eh bien, au la main de la liste de Beno Bokyakar, signé le leader du parti Yonuna Tangé. en l'occurrence Souleymane Ndiaye alias Borom Goudomp. L'homme, et eh bien, l'homme n'a pas manqué de six est c'est-à-dire de tailler en pièces Ousmane Sonko. En tout cas, Ousmane Sonko, passé au crime par Souleymane Ndiaye de Yonouna Natangé. <laughs> en attendant, passons à 24 heures quotidien. on a parle de vol présumé, de vol présumé, de numéraire, histoire de renseigner que celui qui est aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, dans le collimateur de Frappe France Dégage, c'est Farbangom, c'est Farbangom et c'est Farbangom. En tout cas, les activistes, eh les activistes envisagent dans un court délai de saisir l'OFNAC, la CENTIF, la CREI, la BCAO, l'IGE, l'IGF et entre autres institution de lutte, et eh de lutte contre l'enrichissement illicite. Que retenir sinon Farbangom Farbangom n'est pas au-dessus de la loi et il doit, et par la force, être convoqué par la Centine et la créée pour justifier l'origine licite ou illicite de l'argent supposé dormir dans sa maison, pour ne pas dire dans sa chambre, au moment où nos hôpitaux, et eh bien nos hôpitaux manquent de tout. Voilà en tout cas la déclaration de guerre signée Frappe France Dégage à lire à la une de 24 heures à l'heure actuelle. Et eh bien à l'heure actuelle, le quotidien, le quotidien des révélé, plus de 880 millions, plus de 890 millions de Farbangom. En tout cas, le forum civil, et eh bien, le forum civil de Biraïm Sek n'y voit que du NFRM mabrouk, Laïwan de En tout cas, le forum civil veut une enquête du parquet. Voilà ce que nous livre ce matin le quotidien. Le quotidien. Restons avec le journal qui parle. Restons avec le journal qui reparle du fonctionnement des hôpitaux. Des hôpitaux aujourd'hui plus malades que le malade qu'ils sont censés soigner. Et là, et là, et là, on peut retenir que Macky Sall, eh bien, envoie Marie Remes aux urgences taf taf et Johnny Et sur ce point, il est question de six directives. Six directives pour soigner la santé et ce que prend pour argent comptant ce matin le soleil quotidien gravite. Eh bien, gravite autour de la médiation de l'Union africaine dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et là, et là, et là, Macky Sall, Macky et Moussa Faki Mahamat attendu à Moscou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'As quotidien pour sa part de renseigner déblocage, eh bien, déblocage de céréales et de fertilisants en faveur de l'Afrique. Macky hôte, eh bien, hôte de Vladimir Poutine aujourd'hui. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut peut-être dire, peut-être dire, d'après l'As quotidien, qu'aujourd'hui, il y aura un face-à-face entre notre Nyangal national, Macky Sall, et le Nyangal international, Vladimir Poutine. Et pendant ce temps, le témoin quotidien, en exclusivité, s'il vous plaît, eh bien, en exclusivité, s'il vous plaît, nous renseigne que Ndeketeyo, Ndeketeyo, la B6, eh bien, la b a été rachetée par la Vista Banque du Burkina Faso. Vous le déconnez là, En tout cas, un face-à-face entre notre Nyangal national, Macky et le Nyangal international, Vladimir Poutine. Et pendant ce temps, le témoin quotidien, en exclusivité s'il vous plaît, et eh en exclusivité s'il vous plaît, nous renseigne que Ndeketeyo, Ndeketeyo, la b et eh la B6 a été rachetée par la Vista Banque du Burkina Faso. Vous le déconnez En tout cas, alors qu'on attendait, on attendait l'Ivoirien Koné, Dosogui ou le Sénégalais Paté le témoin quotidien nous renseigne que c'est finalement, et eh bien c'est finalement le Burkina Simon Tempéré, qui rafle, et eh qui rafle totalement, pour ne pas dire complètement la mise et rachète la b Bon, terminons avec l'observateur L'Obs. Le journal parle de l'Aïd El Kébir 2022, histoire de révéler qu'on se dirige, mais eh qu'on se dirige vers une tabaski en chair et en os. En tout cas, l'impact de l'indisponibilité de l'aliment du bétail sur le prix et la qualité du mouton. Voilà, en tout cas, la situation carabinée de chez Carabiné dans laquelle sera Gorgorlou pour la fête de Tabaski. En attendant de savoir s'il sera question d'un Naïd d'El Kebir ou d'un El Tan nerf mais la mais de Chey Allah bon vive le Sénégal